Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Quand l'art sert une cause, l'artiste est noble. Artiste engagé contre la Covid-19, tu connais la devise et le plan. On reçoit régulièrement sur cette rubrique et sur l'émission tous à la FADA, des artistes qui de manière volontaire et pour la cause se donnent corps et âme pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui continue encore à sévir dans le monde et au Niger. Vous le savez, nous avons reçu de grands noms de la musique nigérienne sur cette émission et ça continue aujourd'hui avec une grande dame, une cantatrice au grand charisme. Elle office au sein d'un des plus grands groupes féminins du Niger. Vous vous rappelez certainement de cette formation, Soga qui a représenté vaillamment les couleurs nationales lors des cinquièmes Jeux de la francophonie. Il y a de cela 20 ans, elle a chanté dans Aïe, tout à fait, elle continue toujours le combat. Elle est dans le social et vous savez aussi qu'elle défend une cause. Elle, défend la cause de la femme. Mata, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Mata Allah Allah mata mu ne sutura dashi, mu ne sutura a gida, labile mai sirrin ɗaki. Duk darajan namiji in ya zama na ba auren nan, kusan dai ya rage. Mata hasken ɗaki, namijin da duk ya shigo ɗaki, in ya tara ba matar shi. <laughs> une leader vocale du groupe Soga, j'ai nommé Aïchatou Dankwali. Elle est avec nous pour parler de son engagement en tant qu'artiste dans la lutte contre la Covid-19. Bonjour la grande dame, comment vous allez Bonjour Dondi. Tout se passe très bien, j'espère. Ça va, alhamdulillah. Super. Alors si j'ai bonne mémoire, dès le début de cette pandémie, on vous a vu au sein d'un collectif d'artistes pour chanter Stop Coronavirus. Et eh, parlons, eh, parlez-nous-en un tout petit peu sur oui, euh, on s'est rassemblés, c'est euh, des jeunes artistes avec lesquels on, se côtoie, on est pratiquement toujours ensemble. Donc euh, du coup, je leur ai dit, attendez, en tant qu'artiste, on peut amener notre pierre à l'édifice en sensibilisant. C'est vrai qu'on fait nos trucs sous contrat, on cherche de l'argent à travers nos chansons, mais cette fois-ci, il faut lutter contre le Covid, il faut aider la population Niger par rapport à la COVID-19. Donc c'était dans ce sens qu'on a eu à initier cette chanson. Euh, sur euh, la lutte contre la Covid-19. Mais dites-moi, cette chanson, elle, a porté Elle a porté parce que moi, j'entends des tout petits, des tout petits qui chantent euh, Coronavirus. Donc, euh, moi, ça m'a fait quelque chose. Du coup, je m'étais dit que les gens ont retenu quelque chose à travers cette Le message est passé, bien, évidemment, à travers ce temps-là. Tout ce que, qui fait coronavirus, nous voilà, et <laughs> tout, et tout, ce qui va avec, parce que vous avez mis en, en avant les, les, gestes barrières déjà, mhm, pour mhm. dire que cette maladie, il faut, il faut la prévenir. Bien euh, sûr. Il n'y a, pas, y a, y a, y a pas de solution, c'est que la prévention. Alors, parlons de cette prévention. Nous le savons, le virus continue toujours euh, à circuler encore et encore. Quelle initiative pensez-vous mettre en œuvre actuellement en tant qu'artiste pour continuer le combat En tant qu'artiste, moi, je je, m'engagerai à donner toujours le bon, le bon exemple mhm. en, me protégeant toujours avec euh, la bavette. Mhm. Quand je suis sur dans des lieux publics, mhm. je, suis, je me promène toujours avec mon gel dans mon sac. Donc, au besoin, je mets le gel et j'essaie aussi de dire aux gens, tant que je peux, de respecter la distanciation sociale. Donc euh, c'est toujours les gestes, les gestes barrières mhm. euh, que vous vous mettez d'une manière ou d'une autre en euh, avant. Parce que c'est ce que, ça qu'on a pour, l'instant. On n'a pas de traitement, cas, fiable ou efficace, si on peut appeler les choses ainsi. Mhm. Et contre cette pandémie qui, quand même, continue et toujours à secouer le monde. Hein. alors, dites-moi, vous avez mhm. certainement un mot. Euh, ok, une dernière question. En fait, euh, le traditionnel mot de fin. Ok, d'accord, un message fort à passer à l'endroit de nos populations euh, pour se protéger contre la Covid-19. Un mot à passer à l'endroit, bien évidemment, de ces jeunes qui pensent qu'ils sont invincibles, en fait. oui, un message, c'est que le, la Covid-19 continue à faire des ravages. Il faut que nous y croyons. Si jusqu'à présent Dieu nous a protégés, alors mettons mettons aussi de notre volonté pour qu'on puisse lutter à jamais contre la COVID-19. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas grand-chose. Même après la COVID, on doit continuer à se laver les mains. On doit continuer à, garder euh, deux fois quand quelqu'un a un simple rhume. Essayez de garder la distanciation sociale, ça peut vous protéger et protéger votre famille. Parce que quand vous sortez et que vous revenez avec une maladie, ce n'est pas toujours. on ses habitudes, non les Alors, la Covid est là. Mhm. Si nous avons été épargnés, ce n'est pas évident pour l'avenir. Alors, respectons les barrières. Respectons ce qu'on nous dit lutter à jamais contre la Covid et contre beaucoup de choses. Boutons la Covid hors du Niger. Alors pour cela, on a besoin euh, d'une petite prestation de l'artiste parce que l'émission aussi, c'est un peu d'ambiance, c'est un peu de show. Alors qu'est-ce que vous allez me choisir euh, Qu'est-ce que vous allez Une chanson de Soga, une chanson de Echatou, euh, quelque chose pour faire plaisir à tous qui kiffent cette émission sur le plan national et même international. là, je ne quitterai pas sans, sans, sans mot l'éternel soutien à nos FDS. Nos forces de défense et de sécurité. Je le ferai avec plaisir. On y va, il a pas de souci. J'aime bien cette chanson en fait. Et moi, je sais que je vais t'accompagner. On va le faire. On va faire le show ensemble. À toutes les forces de défense et de sécurité qui kiffent cette émission, voici pour vous Soga des fans de l'artiste Aïchatou et aussi de Nana et de Aja. en même Soga. Soldat républicain, soldat des fans issus de la nation probe militaire. Quand tu défends la mère patrie, tu ne recules pas devant le danger. Ton sacrifice est ancré en toi pour toujours. Sage militaire, soldat défenseur de la nation force armée nigérienne. Si, si, on prend congé de vous, mesdames and gentlemen, Miss Kader était là, Denis philippe. Donc, euh, le son, notez par là que Miss euh, Mustapha Yuba était aussi de la particularisation de cette émission. Restez en compagnie du programme du studio euh, Kalangu. Mesdames et messieurs, tous à la fada. Et tout de suite, la suite.